بسم الله الرحمن الرحيم السلام wa Soyez les bienvenus sur l'émission mission aujourd'hui, l'émission mission de la charia intelligence. Inch'Allah, aujourd'hui, on aborde le sujet de l'évolution de Usul al D'où vient Usul al ah, J'ai avec moi dans le studio aujourd'hui euh, la sœur Khadija et aussi le frère euh, Ismail. Et moi, c'est Teslim Adeyema. Donc, euh, on aborde, comme je le disais, euh, euh, le sujet de l'évolution, le sujet de l'évolution des usul Et j'aimerais commencer aujourd'hui encore avec la sœur Khadija. sœur Khadija, d'où vient usul Est-ce qu'on a besoin, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'usul al puisqu'on a le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le Coran et la Sunna n'est pas suffisant Merci beaucoup. Euh, bismillahirrahmanirrahim. Quand nous disons que usul al-fiqh n'est pas important pour les juristes islamiques, quand nous avons le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si nous disions euh, disons la mathématique euh, n'a pas besoin d'équation. C'est comme si nous parlions de, du jeu de foot n'a pas besoin de règles. Usulul est comme l'équation qu'on trouve dans la mathématique. Ou fiqh est les règles qui guident les juristes pour faire leur ijtihad. Les choses qui sont clairement notées dans euh, le Coran et la sunna du prophète euh, tous les gens euh, sont d'accord et oui, on n'a pas besoin de en ce moment-là. Mais qu'est-ce qui arrive le texte devient ambigu ou silencieuse. C'est pour ça que solifique est très important. Et aussi, il faut éviter de faire hâte euh, quand nous parlions au nom de Dieu. Et aussi, il faut éviter euh, d'avoir ce que nous appelons euh, l'arrogance intellectuelle, dire que euh, je suis mieux que ce euh, savon. Non, euh, mon érudit est mieux que ce personne-là. Euh, nous devons avoir l'humilité. C'est tout ce que je veux dire. Merci beaucoup. Ah, ah, merci, M. Ismail. Un mot sur cette question. Oui, eh oui, si j'ai un mot à ce niveau, je dois eh, essayer de, eh, de, mettre, de, mettre, les choses de façon globale et, et plus explicite. C'est-à-dire quoi lorsqu'on nous demande euh, que si on a besoin de, de euh, on n'a pas besoin de sulfik et s'il y a déjà le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa Donc, euh, et à ce niveau, le problème qui se pose est que Usul n'est pas tout comme si un remplacement du Coran et de la Sunna. Mais Usul vient tout comme si, et comment on appelle, une méthode d'analyse une méthode d'analyse qui aide à mieux comprendre le Coran et la sunna du prophète euh, alayhi Parce qu'il arrive des fois où, quand bien même le jury est bon, quand bien même le jury a des mots, mais on a du mal à le comprendre. On a du mal et à quand même le suivre. Alors, Usul vient ici tout comme si étant des règles avec, euh, et, tout comme si vous veniez renforcer nos capacités afin qu'on a d'autres sortes d'ouvertures pour mieux comprendre et pour mieux suivre et nos, nos, nos jurys dans le développement de leur et verdict de leur et des, différents fatwas. Parce que il arrive bien sûr que le courant est le Coran est explicite, la Sunna est explicite. Il arrive des fois où les tests deviennent un peu plus ambigu, comme elle a déjà souligné, et silencieux. Donc, à ce niveau-là, on a nécessairement besoin encore d'un autre outil très, très important et très évident qui nous rassure et qui nous aide à mieux comprendre. Alors que au contient tous ces éléments, tous ces ingrédients dont on a besoin pour mieux comprendre et approfondir notre, et nos capacités dans la compréhension du Coran et de la Sunna. Donc c'est ce que je peux augmenter un peu. si, si je peux dire aussi, je crois que ça nous aide à faire, à, ça nous aide à, à, ne pas mélanger. Quand on fait un critique, par exemple, euh, d'un érudit, au lieu de critiquer l'érudit, mais on ne critique pas la personne, on, critique, on, est, critique sa méthodologie euh, qu'il utilise pour euh, donner ses, euh, comment on appelle, ses fatwas. Donc, au lieu parce que si on voit deux, euh, deux érudits euh, qui disent des différentes choses. Euh, au lieu de les critiquer, on regarde, on voit, on voit dans les méthodologies quelles sont les structures intellectuelles qu'ils utilisent pour euh, arriver à, la fin qu'ils nous donnent, qui sont les décisions juridiques. Donc, ça rend ça plus facile pour nous. Mais voilà, on parle ici du solul Monsieur Ismail, d'où vient le al comment, comment, comment, comment a évolué à Usul Est-ce que c'est depuis la première génération des musulmans que ça a commencé et lors de leur génération, comment est-ce que Usul a évolué jusqu'à aujourd'hui Alors, eh, merci beaucoup eh, pour la question. Et eh, l'évolution de Usul se résume en trois grands points. La première partie, c'est la première génération, la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la génération des Sam'i. Les Sam'i sont des compagnons directs du prophète sallallahu alayhi C'est dire quoi Ce sont des proches et compagnons du prophète qui l'ont vu, qui l'ont entendu, qui l'ont vu faire des choses, qui ont, et qui ont été des témoins oculaires de comment le prophète avait géré et certains cas, surtout lorsque les textes deviennent euh, euh, silencieux. Il y a des cas qui arrivent où les textes sont silencieux, mais le prophète a quand même géré. Eux, ils sont vus, ils sont restés avec lui tout le temps. Et ce sont des témoins. C'est eux qui, après, euh, plus tard, se sont imprégnés un peu partout dans le monde et ont commencé par enseigner d'autres en leur relayant l'information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait laissé. Donc, il faut dire que cette première génération était la génération des témoins oculaires même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils savent comment il a fait, comment il dort, comment Ils étaient très proches de lui et ils ont toutes les informations. Et Donc, plus tard, ils ont créé des écoles et ils ont commencé par euh, enseigner euh, ce qu'ils ont appris du prophète. Alors, après cette euh, première génération, on a observé également la génération, et la deuxième génération, c'est la génération des Jam'i. Et les Jam'i étaient des, des collecteurs d'informations. Ce sont des collecteurs d'informations, c'est-à-dire quoi ils, ils, ont, ils ont été à l'école des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont appris d'eux. Donc ils ont essayé maintenant de collectionner l'ensemble des informations qu'ils ont reçues des, des compagnons du prophète. Et c'est eux qui ont essayé d'élaborer ça sous forme de livre, afin de pouvoir sauvegarder l'information de façon plus intégrale. Donc, cette deuxième génération, c'est également, et, comment on appelle, euh, lancé un peu partout dans le monde. Et après, on, a, on est tombé maintenant à la troisième génération, qui est la génération aujourd'hui des juristes et des analystes des analyses parce que aujourd'hui, l'information est déjà articulée sous forme de livre et il nous reste, mais il reste maintenant de les lire, d'analyser et de voir là où il y a plus et, de rapprochement à la, et, à la volonté divine. Donc, c'est la génération de Ousulfik. Parce que c'est la troisième génération. Donc, c'est la troisième génération c'est là, ils ont commencé par analyser et les jurys ont commencé par euh, relayer l'information reçue des successeurs des, et des compagnons du, du prophète. Donc voilà comment Usulfik a évolué avec le temps. La première est la génération des compagnons directs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, on a la génération des Jam'i qui sont les collecteurs d'informations qui ont élaboré ça et articulé ça sous forme de livres. Et à plus tard, on a maintenant la génération des analystes et des juristes. Merci. Ah, ah, merci beaucoup pour ah, cet aperçu de l'évolution de usul Sœur Khadija, on vient d'avoir l'aperçu de l'évolution de usul J'aimerais savoir, est-ce que c'est l'usul qui précède le FIC ou c'est le FIC qui précède le Merci beaucoup. Euh, comme nous avons dit auparavant, euh, Usul, euh, Usul est la fondation, la racine de Fik. C'est où le Fik a commencé. Alors, c'est comme si nous disons euh, définitivement, nous savons que la racine vient avant la pousse. Il y a la euh, fondation avant la maison. Alors, définitivement, Usulul Fiqh est venu avant Fiqh. Même si, oui, nous savons que c'était euh, Imam Shafi qui a... Euh, qui était, il était le premier à, articuler euh, le nom Usulul Fiqh. Mais c'était déjà là dès le début. le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employé des méthodologies avant de donner un verdict à un sujet il, y avait des cas où ils demandaient aux, compagnons comment ils faisaient quelque chose. Ou il y a même des cas où ils utilisent euh, les lois d'auparavant pour faire leur euh, verdict. Ou même quelquefois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande aux compagnons de faire un lot. Euh, ils devront tous discuter et être d'accord sur un sujet. Alors, Usul fiqh était là dès le début. C'est Usul vient avant le fic. Merci. Donc, euh, al vient avant le fic Euh, était déjà là. C'est seulement qu'il n'était pas euh, articulé euh, dans un livre. Il n'a pas été codifié mais le sol euh, était déjà là. Donc, euh, elle disait que euh, Imam Shafi'i était la personne qui a articulé le sol ulfique. Et aussi, il y a d'autres qui disent, oui, il était le premier à même développer la science de sol ulfique. Est-ce que, que dites-vous sur cela Oui, bien, bien évidemment. Et la question du sol, comme elle a très bien souligné, et Usul existait déjà dès le début, mais on ne la prenait pas comme étant une science articulée. Mais avec le temps et les, comment on appelle, les jurys ont créé les écoles. Plus tard, Imam Shafi a vu ça comme étant très important, comme étant une science très, très méthodique. Et il a compris que oui, avec Usul, et il y a, il y a encore un plus qui s'ajoute dans, dans l'établissement même et de la jurisprudence islamique. Donc, euh, il a articulé cela comme étant un livre et, une science, excusez-moi, comme étant une science. Je crois que c'est parfait et ça, c'est Imam Shafi qui est le fondateur, maître fondateur même de, de Usul Donc, Imam Shafi est le fondateur euh, euh, de, de, la science de Usul bien que même la science était existait, mais il, a pu euh, ramener tout, euh, les méthodologies. Euh, il a été le premier à codifier, à articuler ces différentes méthodologies. on sait que le solul existe pour aider au mujtahid de faire son ijtihad. Le mujtahid, le, le, rudu qui exerce son intellectuel pour afin d'arriver à des décisions juridiques qui sont proches à la charia. Euh, donc, euh, la question c'est que, à part usul fiqh, est-ce qu'il y a d'autres euh, sciences islamiques qui aident au mujtahid à, faire, à prendre ces décisions et quels sont les rôles de ces sciences, s'il si y en a Bien sûr, merci. après que les mujtahid, les juristes islamiques, utilisent au fiqh pour faire leur jugement, il y ils, ils utilisent aussi ce qu'on appelle Kawaid al Ce sont les principes dans la religion d'islam. Et après euh, utiliser le Kawaid al ils utilisent ce qu'on appelle Makasit al-Sharia. C'est l'objectif, le but final du Sharia. Et aussi, euh, je, veux utiliser la, métaphore euh, d'une route. Usul ulfique est comme si nous apprenions à conduire, conduire une voiture. Kawaid est les euh, règles routières. Et makasid ulfikia, euh, makasid désolé, c'est la destination finale que nous allions euh, traverser. Merci beaucoup. Donc, ah, merci. Donc, euh, ah, je ne sais pas, un mot sur cela, euh, Monsieur Ismaël. Oui, et je crois qu'elle a, elle a tranché. Et seulement que je voulais apporter un plus de façon littérale. quand on parle de Usul, de Kouaïd, Al-Fikia et de Makassid de Sharia, je crois qu'il y a une sorte de, de méthodologie, une sorte de logique, excusez-moi si je peux m'exprimer en ces thème, c'est une logique. Usul, comme étant, et, comme on appelle euh, la base des évidences, des preuves. Alors, et al fikia est comme si elle a bien souligné l'ensemble des, des dérapages, l'ensemble des règles, des principes dont on a besoin pour aboutir à quoi à un objectif. Quel genre d'objectif L'objectif suprême, c'est-à-dire la bonne finalité. C'est à ça qu'on veut venir. Donc, vous voyez, quand on commence avec Usul, on, a, on est en train, on, a cherché des, règles, les codes par lesquels on va passer. Pour faire quoi Pour tomber à une bonne décision. Donc, c'est tout comme si, lorsque le juriste est dans le développement de ses, euh, de ses fatwas, il commence, euh, il sait d'où il vient. Vous voyez, premièrement, il sait d'où il vient parce qu'il a la base des preuves. Il y a sous qui est là. Il sait où il va. Ça, c'est l'intention finale. Et donc, qu'est-ce qu'il a besoin maintenant Il a besoin euh, euh, d'une bonne logique, d'une bonne méthodologie pour pouvoir atteindre l'objectif final. Donc, c'est en quelque sorte une logique. Et quand on l'a su, ça garde le jury, ça garde et, la méthodologie. Et vous êtes logique dans votre, euh, dans votre développement des, fatwas. Voilà un peu ce que je peux augmenter de façon linéaire. Euh, voilà, et je sais que dans l'un des épisodes euh, passés, on parlait de la triangulation. Et ceci même démontre vraiment l'importance de la triangulation que on parlait. Quand on parlait de la triangulation, on parlait d'une nécessité des collaborations entre ces trois euh, euh, filières, euh, bah, ces trois sciences de l'islam qui contiennent le l'usul le corail et aussi le maqasid. Donc, on ne peut pas utiliser seulement le al et laisser les autres. Mm. On ne peut pas utiliser le kawaid sans considérer le al Et on ne peut pas aussi utiliser le maqasid le sharia sans considérer euh, les deux autres parce que le sololfique même relève les problèmes, les enjeux sur lesquels le kawaïd travaille. Et euh, le kawaïd aussi relève les enjeux sur lesquels euh, le maqasid travaille. Donc c'est très très important que les trois soient utilisés. Donc ceci me donne l'idée que les, les, les, érudits, les, les savants musulmans, ils ne s'amusent pas tout ce qu'ils font ne sont pas des amusements. Ce sont des très, très euh, travail euh, profonds qu'ils font. Parce qu'ils passent sur ces trois euh, chemins. Et quand on parle de solidifique, on ne parle pas seulement d'une petite science. Donc, c'est une science très profonde. Donc, eux aussi, le corail et aussi le marquage. Donc, il faut très penser, il faut utiliser tout son atout intellectuel pour pouvoir bénéficier de ces, de ces sciences-là. Donc, je euh, j'ai qu'aujourd'hui aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à, la fin de cet épisode. Euh, merci beaucoup d'être toujours avec moi. Et on a encore euh, plusieurs épisodes à trancher ensemble, Inch'Allah. merci d'être venu aujourd'hui. Merci. Et merci à nos téléspectateurs et nos auditeurs aussi. On se retrouvera dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.